mbégte la ñuy am jàkkaarloog yeen fi seen chaîne euh, Dakaractu TV rawatina ci seen émission bi di en ligne ñaare ñu koy amal àllarba bu jot gannaaw bu mu leen nuyoo yéen bokk internet yi ñuy seetaan fii ci Sénégal et un peu partout dans le monde di leen dalal bu baax a baax ci numéro bu yees bu en ligne bi am mbégte bu baax a baax fas yéene jox kàddu tey ji ndaw yi maanaam la jeunesse ngir waxtaan ci li nga xam ne moo di actualité politique ci biir réew mi ak yeneen question yi nga xamante ni soxal na ñi nga xamante ni ñoom ñoo di askan bi ngir waxtaan ci li nu mel damay am mbégte bu baax a baax di dalal Meissa Mayakor Diouf moom mooy responsable politique APR ci diwaanu Fatick également di président bu plateforme d' accompagnement des jeunes du Sénégal Meissa Mayakor amaan mbégte bu baax baax di la dalal ci studio bi. absolument aussi à ma droite Abdou président du mouvement privilège honneur merci euh, Badou Je invitation mhm. aussi euh, internet sur la chaîne mhm. voilà euh, à votre côté nous également Eric Bernard secrétaire national adjoint à la jeunesse de Réunion banquier à la formation là am mbégte bu baax baax dalal la. merci balala am naa mbégte man tamit euh, fekk ci len ci plateau bi di nuyu aussi bu baax samay co-débatteur samay naatoo ngi xam ne ñoom laa plateau bi. voilà pour terminer à ma gauche am nañ Moussa Sow je pense que duñ le présenter yow ya remplacé 13 Faye à la tête ci li nga xamné mom modi Cogère euh, depuis quelque temps am mbégte bu baax baax c'est la première fois ñu lay dalal fi nga xamné moy ci studio bi di la nuyu bu baax jërëjëf Badara maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu ñi ma bokkal plateau bi mm-hmm. eh, di la remercier bu baax ci ci invitation bi. Mm-hmm. voilà alors euh, débat bi dañ koy démarrer rek euh, ki nga xamante ni moom moo di Abdou Mbaye

ñu ngi croupir derrière les barreaux. Mhm. ñeneen ñu mu àndaloon ci mbir mi sax daal dinañ leen di teg loxo. Mhm. alors nan nga jàngatee feuilleton bi nga xamante ni moom am présentement. voilà merci Badma donc dama lay remercier bu baax ma mën a exprimer wu ak sénégalais yi. Mhm. donc kaw Bougazelli dafa xaw jaaxal. parce que régime bi daf ñu euh, boo leen di xool. 2012 euh, ba ñuy campagne. dañu waxoon ne bu toogee le président Macky Sall en l'occurrence impunité dootul fi amati maanaam dootul amati.

Qui euh, kii mu ngi euh, Karim Wade. Mhm. mais nous disons bon le député Bougazeli. Mhm. il est en fait trouvé en flagrant délit. Le mhm. texte yi devenu. Quand de euh, ku ñu flagrant délit. procureur écrire la war a garder à vue ñu téye libéré waat ko. muy faveur bu moi donc bon modèle au këram rek dissimuler les preuves manam jox nañ ko len li nga xamni ni c'est très grave. Mhm. te aussi je pense que ne euh, j'ai j'ai eu la le dire donc ce régime là man le momu gëna déranger ci ñom muy depuis la de de de fur et à mesure. dañuy régresser la démocratie et les acquis démocratiques de nos pays. parce que amna fenn fo xamni ne nañ fa. tey jii nii bu fa buñu ñu fi dañ ko wara wessu mais war ñu dellu ginaaw mhm. mais boko xolé ça veut dire que inventé wu ma li may wax sénégalais yépp xamnañ nañ li may wax donc juste, bi dañ a problème. Mm-hmm. muy muy Les ma comment wax ku comment bu am tout à fait Bougazeli, y allez-y allez-y terminer vous. Euh, voilà mm-hmm. voilà donc Bougazeli, nga dis bon en fait un traitement de faveur maga, maga, maga, par rapport à euh, aussi li de def c'est un scandale. Et aussi mm-hmm. c'est un élu du peuple. donc dafa inspiré inspirer exemple pour le peuple et il est un représentant un digne représentant du peuple. tout à fait donc nous le déplore encore une fois. effectivement alors euh, Meissa Mayakor yow responsable responsable politique nga euh, yaa milité notamment ci APR c'est le cas nan nga jangate feuilleton bi moom euh, dane won da ngeen ñu promettre une gestion sobre et vertueuse comme ni ñu koy waxee mais régression la gis ci sen bilan ci li nga xamanteni mom moom moo di seen bilan immatériel bi lim wax ak traitement de faveur bi nga xamné est ce que ce gis-gis la né Bougazelli am na ko ci feuilleton bi. waaw donc wala euh, may dugg ci fond bi. Hmm. suñu camarade Bougazelli di un vrai combattant. waxante hmm. ne on a.

tu as parlé de flagrant délit. ñu ñu ñu fàttali mais présumé lañu wax. voilà c'est ça il faut respecter au moins la présomption d'innocence. Mm-hmm. ci tey le PV d'audition bu euh, euh, gendarmerie en l'occurrence Mbengue ba tey kenn mënul wax li moo nekk ci PV d'audition bi li ñu fi am yëpp ba c'est des écrits par voie de presse. donc nañ ci rafet njort. donc ma lay leeral aussi Bougazelli Vous avez ñu bàyyi ko mu dem juridiquement et techniquement du question de faveur li visée visé. li ñu visé maanaam li ñu de moom la mooy trafic de faux billets trafic de faux billets délit la boo xamante dañ ko criminalisé. donc délit bu ñu criminalisé walla ku li àll l'instruction, dem instruction instruction vous bu dee koo xamante dafa da député soit tu démissionnes soit tu lèves immunité parlementaire. Mhm. donc il fallait la division ou l'électricité. immunité parlementaire bi balaa ñu koy téye ko garde fi vue. loolu mooy mooy mooy lii disons l'arsenal juridique bi nga xamante ne moom moo tax ñu bàyyi ko mu def. Mhm. contrairement de faveur amu foofu. traitement de faveur amu il a donné le cas de de de de de Khalifa Sall. kaw Karim Wade. daal di koy de façon générale. Mhm. de façon générale. Mhm. ñoom jàpp nañu ne dañoo dellu ginnaaw. mais on peut revisiter le passé. <laughs> ci ci ay régime lañ jóge nag fii gis nañ fi lu nekk yaa ngi dégg ti techniquement ak juridiquement lu leen neex ngeen wax ci Karim Wade lu leen neex ngeen wax ci Khalifa Sall mais ay avocat yu xarañ ñoo leen topp ti lépp ay ay nit ñoo ci teg tey mbiru Karim Wade loo teg ñu teg la leneen donc amul amul amul traitement de faveur ñun li ñu jàpp au contraire mooy le président Macky Sall dugal na ci suñu système juridictionnel bu ay kuréel yoo xamante ne day aar. Mhm. day protéger. Euh, askan wi protéger comme comme wi muy ITIE muy muy muy muy OFNAC yoo xamante ne tey même bo yoré bu la dénkee sa bala ngay def dara di nga ah amna na ñoo ñu ngi may soytu ba ci ba ci ba ci déclaration de patrimoine mais loolu lépp c'est c'est c'est c'est c'est Macky Sall donc y a la volonté y a des actes posés dans ce sens donc foofu lu ñuy rëccu amu fa par contre l'amélioration continue mm-hmm. loolu moom dañ koy dàqi c'est un idéal. C'est un idéal. Voilà. Alors, voilà. Euh, alors aussi, tu peux faire mieux. Tout à fait. Mais le Sénégal, quand même, a bougé positivement dans ce sens. Eric, ce regard qui peut tomber en affaire au phobie et Buga Bugazeli, nous en tant que euh, responsable adjoint de la jeunesse de l'Union. Merci Badara. Mhm. Euh, en réalité, c'est une grande déception de l'Union qui, qui traitement de euh, Aujourd'hui, je pense que vous n'êtes même à présomption d'innocence, à mhm. suspicion suspicion. Am, portant sur 32 milliards L'or était day du système économique bu dëkk masse monétaire c'est un crime économique boo ne ni kenn qualifier même si on ko bàyyi présomption l'attitude du procureur là aujourd'hui notre déception c'est surtout par rapport à l'attitude du procureur donte am une immunité parlementaire mais d'un ko instruire parce qu'aujourd'hui, même s'il a eu le courage de démissionner. Ce qu'il faut saluer d'ailleurs aussi. Hein. Exactement. Hein? saluer parce qu'au moins il a eu le courage de démissionner mhm. et se mettre à la disposition de la justice. C'est une excellente chose. Maintenant, mhm. la justice va faire son travail. Mais quand même, aujourd'hui, euh, les moyens de contrôle par rapport à l'arsenal financier. Tu parlais des euh, euh structures, des etc mais aujourd'hui 32 milliards de de de de suspicion yi ne savent pas na ko mhm. mais euh, ça remet en cause même la sécurité intérieure de ce pays là. Mhm. et là euh, euh, gouvernement bi war interpeller. Mhm. surtout ñu jël ay matuwaay n'ak. parce que du càggante sax da nga nekk ci euh, ci il gouvernement wala nekk député yaakaar lu la neex nga mën a def parce que tey am nañ benn cas am na une jurisprudence bu ci am. chanteur ci saa si am lu amna lu dal ci kawam. Mhm. donc aujourd'hui nag. Mhm. ah war nañ war nañ xol loolu. je pense que war nañ mën accélérer processus bi. Mhm. procédure bi parce que bu nekké tay mbir mi commencé na génn ba ñu commencé koo tas ci dëkk bi. mën na dérégler économie dëkk. alors ci ci fàttali mom ci bopam sax euh, bénéficier na garde à vue ni ki demb en attendant ñi xol digënté tay ak suba ndax il sera déféré. alors euh, Moussa nan nga jangate mbir mi mun nañ sa camarade de parti la aujourd'hui feuilleton bi est-ce que yow sa gis-gis bokk na ak ñoom liñ wax traitement de faveur bi nga xam ne am na à l'endroit de Bougazeli l'ex même député j'allais dire euh, jërëjëf Badara euh, comme que dossier bi aussi ci c'est pendant devant la justice luñ ci mën a def rek mooy yenn commentaires yi nga xam ne duñ ko guddal euh, tout d'abord suñu camarade de parti la ñoo ngi koy massaw bu baax te gëm nañ né peut-être dana génn ci ci ci problème bi mu nekk ni tout d'abord il faut que ñun ñëpp qu'on s'accorde que né présomption d'innocence def wara am présomption d'innocence xam naa ne bakkan moo gën a fort. tey jii bu nit rayon nit ñu ñëw jàpp ko déjà premier moment premièrement présomption d'innocence lañ koy lañ koy jox. Mhm. te bakkan moo gën a fort euh, li ci des aussi comme que moom il a eu le courage. Euh, grand Maysa wax na ko sànq. Euh, nee na deux voies la mënoon a jaar pour ñu mën ko jàpp. wala ñu mën ko juger bokk euh, soit levé de la de l'immunité parlementaire. Mhm. wala mu démissionner. Mhm. moom il a justement permis à la justice d'être beaucoup plus. plus à l'aise mhm. pour mu gaaw ci ci ci yi muy def peut-être moom moom jàpp na ne deful donc pour mu gaaw génn ci problème bi il a démissionné. Mhm. donc loolu courage boobu dañ koy saluer. di ko di ko wax ne aussi véritablement comme comme li gars yi wax euh, xaalis bu takku la c'est vrai mais aussi nañ jàpp ne nañ jàpp présomption d'innocence rek xaar véritablement l'avancée euh, de l'instruction wala l'avancée du dossier. Mhm. Tout à fait alors euh, Abdoul léegi léegi Eric dafa effleurer benn. Euh, sujet bu am importance moy question sécurité sax Sénégal bi parce que ñu ngi wax affaire faux billets yi euh, jamono yu ñu wessu danaka ben ñaari fan bo yeewu di nga dégg ñu wax waxu drogue bi nga xamné ne saisir nañ ko au port de Dakar ay mbir yi nga xamanteni vraiment euh, dañuy poser wu question sax ci li nga xamanteni moy vraiment question sécuritaire bi ak li nga xamné mom moy mooy est-ce que sunu frontière tay ji elles ne sont pas poreuses wala yooyu noonu. nan nga gisee mbir mi nga xamanteni ni tey dem nañ sax ban nan est-ce que Dakar du plaque tournante euh, de la drogue au niveau au niveau de l'Afrique ak yooyu noonu nan nga jàngatee mbiri mmh, merci damay rebondir rek un peu ci affaire Bougazelli pour ñëw pour terminer mmh. c'est-à-dire que quelques secondes rek c'est-à-dire que il faut que aussi ñi wax Sénégalais yi deug kaw Bougazelli li fi xew lérna c'est-à-dire que amul amul immunité parlementaire fofu amutu fa. Taxi, flagrant délit Flagrandeli, wax quoi flagrant délit bu ñu mhm. délit député manam euh, immunité parlementaire fofu bi mhm. est-ce que mu dafa daw wala dafa dafa daw <laughs> <laughs> en le commandant de brigade la wax ci frontière

ba ñun ñëpp ñun sénégalais nañu waxante dëgg ne lii la après ñu xool lan lañ koy defaree ñu dem ñu avancer ensemble. c'est-à-dire que bëgguma yéen jeunes yi ngeen yor beneen attitude euh, politicien nu su beneen classe politique bi ñun ñun ñi en fait la nouvelle génération. j'aimerais à ce que ñuy song maanaam les les vrais problèmes des sénégalais. Mhm. ñu résoudre ko ensemble tekku na la. léegi kaw boobu Bougazelli c'est-à-dire que amul. démission démission bi foofu ah immunité parlementaire bi perdre na ko ba pare deux fois perdre na euh, la première fois bañ ko bertee en flagrant délit avec 32 milliards. c'est c'est pas ce que j'ai inventé. du lu ma inventé. donc foofu il faut amul présomption d'innocence encore une fois. ba bon, bon, bon, ma fi bàyyi woon ak euh, euh, ni ñu koy waxatee kopp kopp soow génn ñëwaat fekk ma ak soow mi. Mm-hmm. mu sama kaw sama fofu amul présomption d'innocence mhm. man kese ci fii nga ba nga fi bàyyi mhm. di nga xamni man la donc si si on avance c'est-à-dire que aussi xam nga yang koy wax ci problème mu phobie mhm. c'est-à-dire que ce qui m'intrigue c'est quoi c'est-à-dire ce trafic là Badou lolu lu muy créer ci économie deuk c'est très grave té je pense que né ñi ko waroon xex tay ji ñokoy incarner te gisuloon na ñu ngi si ñoom ñu ngi si ñu ko war a ñu koy xeex. ñu ngi ci mais en fait ñu ngi ci bon mais mais pourquoi lu euh, tax ñuy nous ñen ñi nga ci que euh, je sais pas la partie visible de l'iceberg je ne sais pas. Mm-hmm. donc en tant que kuy da ngay da nga da ngay interrogation yu membre du régime un député avec 32 milliards député qu'est-ce mhm. da nga naan keneen ak keneen bu kon milliards la war mhm. mhm. donc j'en passe c'est-à-dire que je parle sur le contrôle de Eric. gis euh, trafic de faux billets il faut que le président soit très regardant à ça. très rigoureux également. voilà mu rigoureux parce que les sénégalais nous sommes les le sénégalais lambda. Il euh, faut euh, trafic faux billets mooy andi inflation da ngay gis junni amoutul valeur. Hmm. lu tax amoutul valeur muy xaalis bi di circuler faux billet bi di circuler yow sa journée, valeur bi mu amoon nga mën cee charger gaz ah jox ci dépense ah jox ci ça sa doom mu passe école ak ndekkeem. mais léegi mënatoo ko ci. Hmm. li yëpp ci trafic faux donc dem nañ ba benn moment ñun on est inquiété moi, mooy comme li nga wax est-ce que Dakar du plaque tournante de la drogue et des faux billets mais ci ci région Macky Sall te pourtant dafa bokkoon ci leneen li nga xam ni moom moo waxoon dina ko saafara. Hmm. donc de jour en jour ñun ñuy gën a réccu fal Macky parce que aussi un président qui est né avec avant les euh, après, après les, les indépendances un jeune qui a fait musul voyage dem jàngi donc on Wade mën naa ko baal lu mhm. donc bu ñu ay dans le passé damay am lu ma metti parce que dans le passé moo tax ñu teg fi Macky Sall mhm. dafa amoon lu ñu metti ci passé ñu teg fi Macky Sall ne désormais ñii la ñu war yoree Sénégal mais tey jii nii da nga gis vraiment problème yi man dama jàppoon vraiment régime bi amateurisme ak incompétence ce qu'est-ce, moom moy sen moom moy sen seen défaut mais nakaté c'est un régime hein, de de de de scandale sur scandale yago le géej waaye ñu ngi fay wax mbirum pétrole. ah nit ñi di ko naqarlu seen jooy euh, euh, seen seen rangoon feragul ñu indiwaat beneen beneen scandale bu gën a rëy ay géejawaay mhm. affaire faux billets mais fu ñu jëm absolument alors man samay koor maa ko doon posé si question sécuritaire yi ak li nga xam ne moom moo di euh, plaque tournante bi ñuy wax Dakar affaire drogue yooyu noonu mais aussi ce qu'il faut saluer moi que euh, bi nga euh, gendarmerie au niveau au niveau au niveau du port parce qu'il ne se passe pas deux voire trois jours de réseau démantelé ko wane on sénégalais au Sénégal lan gis-gis effectivement euh, au niveau du port au niveau du Sénégal au niveau de la sous-région au niveau de l'Afrique et du monde le Sénégal par essence une force de sécurité et de défense référence lañu. Mm-hmm. en matière de tout mais. Euh, dafa am lu ñu éviter mooy entretenir le flou et déconstruire pour déconstruire parce que en entendant Mbaye suis l'impression que Bougazeli, le régime les directeurs généraux y a tout le monde voilà c'est c'est désolant quand même parce que aussi tu tu nous invites jeunes à tenir un discours véridique mais par essence aussi nañu éviter de dugg ci loo xamante ne parce que même le, montant de 32 milliards, les gens ont rectifié pour dire que c'est 30 et quelques millions. Donc, même, même mais je veux dire, texte par texte, les qu'on a par voie de presse. Donc, nous avons fait taxaw ci ay base yu wóor des gën pour entretenir le débat yaa ngi Sénégal kenn mënu leen nax yow aussi mënu leen nax donc nañ nañ ko tek rek ci ci ci ay base légale je suis d'accord sur une chose le trafic de faux billets dañ ko war a jusqu'à notre dernière énergie. parce que dëkk la boo xamante ne euh, dafay jóg di euh, économie locale bi moo moo a donc yooyu noonu dañ ko boo ko protégé wul rek euh, économie locale du am petite et moyenne entreprise bi day woyof. moo tax état effectivement nous ngi koy invité mu mesures beaucoup plus idoines beaucoup plus sévères beaucoup plus fermes pour combattre soufflé wala parce que baaxul ci rew surtout nak ci rew bo xamantene mhm. da nga nek ci yoonu émergence. maintenant pour revenir à l'attitude du régime à travers euh, force de défense yi lu ñu saluer la man je suis conseil technique au port autonome de Dakar. Mhm. mais ni ko fi jaarale ça en réalité je veux parler de de ci ci wàllu drogue bi. Mhm. dañuy bëgg parce que aussi Sénégal dafa am lu ko yalla may position géographique donc plaque tournante de façon naturelle à partir de Dakar da ngay dem États-Unis directement mhm. à partir de Dakar yaa ngi Europe à partir de Dakar yaa ngi Amérique du Sud loolu c'est c'est c'est une chance naturelle donc loolu loolu day ñoom aussi un trafiquant c'est un trafiquant hein. day day day day essayer mais nga la ba ñu amee ay forces de défense yoo xamante ne véritablement ci année bi rek li ñu li ñu li ñu li ñu euh, ci ci drogue dafa bëri ci mhm. loolu dañ koy en connivence en relation avec Interpol donc il y a un dispositif aussi bu bu koy xeex donc bu ñu bu ñu bu ñu jël bébé bi ak audi bébé bi yëpp ne fii a c'est le scandale non non non nos frontières sont poreuses non il y a un travail extraordinaire qui est en train d'être fait maintenant nañ ko durcir nañ ko renforcer pour protéger notre économie. Tout à fait. Voilà. Alors, Eric, euh, la question financière, euh, Mbaye, nous avons dit que nous biais, indi que économie en tant que banquier, euh, plus nous avons dit que drogue, ban conséquence lañu war a am ci ci ci ci merci Badara bon avant ma tontu si question bi. Mhm. Euh, damay fa am lu lire temps yi ci ci ci internet bi Tikelo. Mhm. dama dégg Moustapha Cissé

procureur. cela cela veut dire am na lu mu def de pied. lu mu mais parce que déjà bu nous, rek dama japp complices... complice mhm. totalement complice. Mhm. Mhm. maintenant pour côté côté côté euh, impact. négatif bu mon ci économie. je pense déjà inflation bi. aujourd'hui on va assister même à une dévalorisation du billet de am ben njëriñ. te xam lu ci gëna graw moy mën sax euh, les PME en quoi faisant. da ngay dem ñu jox la faux billet. nga war approvisioné wu mais xaalis bi du am jëriñ dañ la naan da nga perte. donc manam dañ la dóor ci lo xamante ni dañ la sacc en réalité. Mhm, mhm, donc tu as sué jaay sa mbir ñu jox la ay faux billets nga war ko duggal bank ñu dem ñu détecter ko. Mhm. mais effort yi nga def sa employé nga waron fay sa charge yi nga won def yépp day reus automatiquement day détruire une euh, xapa économie en général ay PME ñoo koy porté ay entreprise mais sa contrepartie bu nekké baxul sa contrepartie bi nga xamante ne nii moom nga waroon fayeeku ñëwul automatiquement dootoo am possibilité réinvestir. absolument sa capital day wàññeeku. Mhm. et dootoo mën a sax booster waat sa activité foo mën a jël da mën a lebaat. Mhm. te c'est pas toujours évident. donc moo tax fondamentalement je pense que c'est un crime économique et que là il faut que le gouvernement mette fin à à ça. Mhm. en quoi faisant aujourd'hui y a a la banque centrale qui est interpellée. il y a la, douane qui est interpellée, il y a le ministère de l'économie et des finances qui est, interpellé. Mhm. Mais quand même, il faut fondamentalement des mesures dissuasives. Mhm. Parce que aujourd'hui, vous n'êtes que un cartel, identifié, mhm. mais que toute la chaîne suive. C'est le plus grave aujourd'hui par rapport à la drogue. Nous avons des étrangers, trois jours nous Mais sur quelle base au nom de quoi pourquoi mais nañu wax lu tax ñu leen libéré bu nekkee effectivement comme ñu ngi koy am nañ présomption d'innocence ñu xam effectivement ils sont innocents mhm. mais da ngay jékki-jékki ñu ne la ay eh, allemand jaar nañ fi ay nationalité nangam nangam jaar nañ fi jàpp nañ leen parce que seen seen bateau yi dañ cee yeboon drogue mhm. trois jours après ñu ne la libéré nañ leen gratuitement nii doo xam ne pour autant ñu éclaircir la lanterne des sénégalais en général et puis en et puis lu gën a grave mhm. même bu nekkee sénégalais yi moom la ñuy ñoom la mais les étrangers qui sont là aussi doivent être surveillés comme des sur le feu. Et waruñu leen Baye aussi ñuy non. et il est vrai aussi il faut le reconnaître euh, la forme euh, formidable travail que nga avons peut-être une force de défense et de sécurité ñoo euh, pour au moins protéger suñuy suñuy rak suñuy mak protéger la population pour au moins sécurité bi nga encadrer parce que sécurité mm-hmm. du du rek policier nek fi ah, même drogue bi na la na euh mm-hmm. euh yi mm-hmm. donc fondamentalement il faut que nous corriger les lois et que ça dañuy da ngay aussi da ngay da ngay appliquer la loi dans toute sa rigueur. Mhm. comme ça au moins les gens euh, euh, ñu am ay euh, dinañ xaw a ragal tuuti et que nous ñu am aussi complexe. vis-à-vis des des des des des des pays. des pays étrangers, des, des autres pays. Non, nous sommes complexe. Aujourd'hui, on, est, on doit être un État indépendant mhm. sur tous les bords. Mhm amul ay lobby etc. non ces lobbies là doivent être identifiés cassés. Mhm. parce qu'ils détruisent aussi l'avenir d'une jeunesse. absolument alors Moussa euh, est-ce que gëm nga ne on dem à la dévalorisation ci suñu biais bu li nga li di ram, ci bi par rapport ak yi ñuy wax ak li nga day am ci réew mi jamono ji ni ñu assister comme ni ko waaw ñëpp ñëpp remarqué nañ ko hein. Euh dama bëgg wax rek dama bëgg revenir un tout petit peu en en arrière pour ne leen. Mhm. lépp luy xeetu njublan lépp luy xeetu sàcc. Mhm. lépp luy lu baaxul. je pense que ne kenn du fi taxaw ci plateau wala tok ci plateau ne lu baax la. faut que ça soit aussi clair. Mhm. économie li daf koy daanel. daf bok. bokk-bokk. Euh quelque qui l'autre l'a dit. Euh, une économie dafa am lu ko mhm. des petites et moyennes entreprises des entreprises qui sont là. Mhm. ñom ñoo ko téye dafa am lo xam bu duggé ci économie rek daf koy daf koy affaiblir. Mhm. té bu ko affaibliree ci daanu la jëm. donc lolo tax ñu euh, tout ce qui est faux tout ce qui est trafic de drogue. tout ce qui est l'insécurité qui crée l'insécurité d'une manière générale mhm. lolu baxul té ñun dañ koy mhm. le président de la république moko ñëk que mhm. tay ji bo gisé non forces de défense et de sécurité ñëpp xam nañ outils tay dañ leena outiller d'une manière que le lo fi def wala lepp lo fi fas def tout de suite dañ lay découvrir donc c'est extrêmement important def leena les outiller en termes de matériel mais en termes d'outils yo xamante véritablement suñu suñu réew tay dañ aay de telle sorte que di mhm. quelqu'un l'a dit par exemple il est du parti du président Macky Sall pourtant bi mu fi jéemee bi bi ko gisee jàpp bu ko mu yor ci et tout dañ ko mhm. na du ko jàpp. Mhm. wala boog bu wuyisee du fa fanaan. donc loolu yëpp ñun defarañ pour véritablement yëkkati ay tout à fait donc loolu tax ma ne bu fekkente ne eh, Moustapha Cissé li mu wax. Mhm. man dégluwuma ko personnellement li mu wax bu fekkente ne loolu moo koy très fanaan këram. Mhm. ma xam ne ñu bëri tey du ñu fanaan seen kër. absolument sànq monsieur Mbaye moo ngi doon wax ne euh, véritablement euh, comment dirais ce qui est c' est ce que Bougazeli peut être liñ koy tuumaal. Mhm. c' est la partie visible de l' iceberg. bu fekkente ne Moustapha Cissé loo j'ai bien dit. peut-être bu Moustapha le warul Vous bu Moustapha Cissé warul Fanan mhm, mhm. mhm. dama monsieur aussi war na dem au moins nek témoin. Vous, conditionnel aussi témoin pour voir pour voir euh, pour voir les les juges et consorts que voilà li c'est la partie visible de l'iceberg ce qui n'est pas visible de l'iceberg voilà mu tek ci pour absolument tout à fait alors ñu ñu aborder également la question politique parce que il est important aussi en tant que jeune. wax économie ce qui ne se fait pas généralement. et j'ai bien aimé quand même l'apport des uns et des autres sur ces questions alors on campe le décor sur la politique. Euh, mbay da may commencer ci maye après yéen ngeen jël république bi parce que euh, samedi passé euh, vous avez convié moi les cadres de la convergence républicaine à un panel de haut niveau hein au niveau xam nga dans un hôtel de la place, comme on dit, pour mm. discuter de beaucoup de questions. Le président de la République, Macky Sall, le discours de Fodjel vraiment, il est revenu de long en large sur son mm. programme. C'est ça. C'est 535 qui a expliqué les non. Alors, au lendemain de cet événement, il nañ yenn ay détracteurs ci net dans un panel de bas niveau là c'était ils étaient là-bas pour faire des choses d'abord le bien fondé de ce panel ak tey jii nii lan mooy justifier li nga xamante ni moom moo di eh, li nga xam ne rencontre boobu quelques mois après la reconduction du président de la République Macky Sall. voilà merci loolu loolu question bu am solo la. parce que man mii di wax ak yow. bon depuis notre élection dama dama migré jóge ci génie yi léegi ngi ci la structure des cadres. Mhm. donc ñuy encourager suñu frère. du mhm. di ko wax aussi nous on est là pour accompagner ko. Mhm. donc comme ni nga ko euh, d'abord, on l'a appelé un panel de haut niveau. Ce n'est pas gratuit. Haut niveau, pourquoi Parce que euh, parfois, vous avez population des experts des experts aussi très qualifiés très pointus dans leur domaine nous wax ci mais soo quelqu'un qui est expert et doublé de la capacité de gestion je mhm. xam moom moo yor domaine c'est ce que nous avons tax de haut niveau parce que dafa un échange très franc même le président mhm. à un certain moment il s'est il s'est attaqué sur sur sur sur sur sur euh, euh, disons un modèle mhm. de de fonctionnement donc échange fructueux euh, gentleman agreement nit ñi wax fi ñu mais aussi perspective par rapport à ce programme liggéey sur la base de laquelle nous ñi loolu mhm. donc loolu le fondement de ce panel et machallah c'était un panel très réussi parce que permettre na ay secteurs yu bëri muy euh, wàllu logement salubrité mhm. euh, nos finances publiques mhm. sur l'endettement sur les les transports de masse bu ci nekk ñi ko communicants. des communicants experts qui ne sont pas du parti. et parfois même des ONG euh, euh, qui sont là, qui étaient là-bas, mm-hmm. et qui battaient en brèche même parfois euh, pour politique bi et propositions donc vraiment euh, sama aqulaa taala moom mooy wax. Mhm. mais c'était une très bonne trouvaille. tout à maintenant nous sommes voilà nous sommes un parti machallah nous sommes un grand parti. Mhm. Mhm. Euh, nous sommes un grand parti. loolu tax ma wax ko moy euh, on ne peut pas fédérer toutes les énergies toutes les consciences lépp ci ben yoon. donc euh na ñu kontaanul. am na ñu mer rëccu. yaa ngi dégg comme ñu mbay. yaa ngi dégg mais le cap est là, le cap c'est le projet. Le mhm. président Macky Sall Le mhm. fondement c'est le programme. C'est le PSE qui, est transgénérationnel, mhm. qui, qui, qui, qui, dépasse même les partis, les mandats. Tout à fait. C'est la première fois que nous avons un programme véritablement accepté de tous, même l'opposition, hein, pour que les PSE c'est rare. Voilà, voilà, de bonne foi. Donc c'était un panel riche, réussi, mhm. qui nous a permis de nous remettre en cause, mhm. mais aussi de m'expliquer aux partis, aux panélistes, disons le programme à travers le 535 communément appelé 535. exactement alors Abdou vous faites que question évoquée, m'ont évoqué sujet processus bi déroulé mhm. je pense qu'il y a ñu ci panel bien entendu en fait mhm. j'ai mon idée par rapport à ça. Mhm. c'est-à-dire que. c'est-à-dire que le président Maxal a raté l'occasion quand même de mobiliser toutes les forces vives de ce pays lors de ce panel. Ouais. convergence moo hein. les cadres hein. mais je sais. le président y était en tant qu'invité je pense. mais je sais. Mm-hmm. mais cest à dire que. en tant que aussi secrétaire général du parti. absolument ah, et aussi c'est un président de la République tout le Sénégalais. Mm-hmm. c'est à dire que ce moment là man représenté wu ma. mais mais Abdou ñoom ñoom seen biir rek la ñu invité woon ah. mais attendez mais mais c' à dire que xam lu may wax. c' est à dire que dafa am benn réforme boo xam ni vraiment dafa nekkoon rêve ci man. muy te je pense mooy comme ni ma la ko waxee sànq dama jàppoon ne Macky Sall problème yooyu yëpp moom moo koy réglé moom mooy euh, président bi nga xam ni euh, euh, président de réforme lay war a nekk. muy maanaam chef secrétaire général d' un parti politique en en plus président de la République. C'est-à-dire que cette confusion de tête-là, c'est ça qui me gêne chez le président Macky C'est-à-dire que de faut Dieu pour lier. Mm-hmm. Et aussi, il est élu par tous les Sénégalais. Ce n'est pas seulement par les membres de la non, ou bien par ses alliés, mais par tous les Sénégalais. savez, il faut des rupture, comme il a dit, une gouvernance sombre et vertueuse. Mm-hmm. Mais ça, ça a avorté. plus, mais oui, mais le déroulement quand même de ces ruptures-là, on ne le voit pas. C'est-à-dire que c'est ces réformes-là qu'on attendait. c'est euh, le président ku jël parole président PS amul problème mais président doon daf ko euh, élargir Mais si on ci élargir, seen xalaat man Maintenant, joxe sama mhm. mais ni pour des questions je ne sais pas d'intérêt politique ou bien euh, de parti de positionnement L'ouvre n'est président c'est-à-dire que régime la gestion. des affaires publiques de ce pays-là tok na nek na président démissionné na secrétaire général de parti mais fum tolli man mbir ci ci Macky Sall koy dam ko chef l'État l'a mm-hmm. on a ce problème-là c'est ça. C'est vrai. Alors, Eric, euh, vous avez vos cadres.. mais vous avez suivi un peu euh, les travaux à li nga à travers les médias nan nga gisee mbir mi je pense que c'est salutaire. non c'est pas c'est loin d'être salutaire parce que nous avons ne. Mhm. Euh, du du cadre APR yi le, le, le, la Sénégal mhm. jox suñu dëkk bi. Mhm. aujourd'hui bu nekkoon le gouvernement Là laa ñun nañ ci parce que comme conclusion est-ce que. Donc c'est pour le gouvernement mhm. Est-ce que c'est pour les députés Est-ce que c'est pour la justice mhm. Est-ce que c'est pour, le peuple C'est mhm. pour qui les conclusions en réalité Est-ce que nous avons approprié parce qu'ils sont libres d'approprier l'ol ou bien ne pas approprier l'ol Mais quand même, Si vous avez un document qui le gouvernement a ko que ce soit le côté d'alors que ça soit le PC e ou bien le Nous nous ñun un et d'ailleurs euh, man ci lu ma for aujourd'hui même le président Macky Sall A un lu santé bi pour dire que am na lu muy xaar santé ba tey gisuko mhm. effectivement le plateau médical est dafa dafa tay war tay fi mu toll ni plateau médical. beneen te lu gëna grave encore les hôpitaux croulent sous le sous le poids des créances impayées de l'état Ils dañ leen ameel xaalis bu bëree bari hôpitaux yi. Mhm. et puis euh, médecins ils sont pas dans un confort pour pouvoir exercer la plénitude de leur de leur fonction et puis si xol tay ñom duñ jox exemple buñ ñu dañuy dem étranger faju pour vous dire que même si nous avons ñun ce qu'on def et je pense que le président Wade au moins inauguré un hôpital de très grande envergure je demande au président Macky Sall pour inaugurer hôpital, au moins au niveau des régions aujourd'hui dans notre comme processus la woon nous avons un hôpitaux yo est digne de ce nom nous sommes sommes relevé le plateau technique euh, non c'est extrêmement faible le plateau militaire au Sénégal c'est est mm-hmm. extrêmement faible mm-hmm. aujourd'hui peut-être def na benn wala ñaari jéego par rapport ak radiothérapie bi. Mhm. mais on reste resté six mois mon cher. Badara six mois. certains étaient obligés d'aller au Maroc. wala mhm, et mhm. ça c'est des coûts astronomiques. yoo xamante ni sax booy xool boo ko amul maar day taali. et et pire c'est bu ñu doon wax dafa dafa dem ba xam dafa amul problème budgétaire pour mën exécuter. correctement benn année d'exercice dafa mujjee recourir à à à à des prêts. PUDC. ben mhm. benn aussi il faut caler. parce que amul amul un plan de financement au bas. terre aussi etc. vous savez moi le seul problème que j'ai avec avec le président Macky Sall c'est dans le cadre de la conception d'un projet de ko phasé da wax 30 30 décembre il lay a 30 mhm. décembre ça doit tax pas même dans la structuration des sources de financement ça pose problème parfois on une transparence et visibilité par rapport au montant exact mhm. alloué à des projets. gis nga euh, euh, Pikine. Mhm. ana benn arena bu ñu fa inauguré tantôt ñu ne la chinois yi lañ la ko may. Mhm. tantôt ñu ne la c' est financé à 32 milliards. ak mhm. ki croire yow ku ñëw financé moo ne dama la ko may. ñëpp taxaw quelques mois auparavant dañoo gëmloo ne 32 milliards yooyu 32 milliards la jar mais ana 32 milliards yooyu fu mu dugg donc pour vous dire que nous orthodoxie ci wàllu budget ci wàllu finance. je pense qu'il y a beaucoup de choses à corriger. il y a beaucoup de choses à faire. mais sinon parce que si ko defu mhm. plus-value bu ci am. Mhm. réinvestir sur sur le secteur primaire par exemple. Mhm. encore que nous, aussi ils ont un problème de choix par rapport aux investissements parce que les investissements qu'ils font ce ne sont pas des investissements productifs. parce que nous, en réalité au lieu de soutenir le secteur primaire par exemple l'agriculture qui reste toujours une agriculture vivrière. war ko industrialiser voilà dañuy nekk ci immobilisation te immobilisation pour que amortir ko mais ça c'est c'est beaucoup de temps. et malheureusement les générations. ne peuvent pas attendre alors Moussa qui revenant au panel toujours euh, gis nañ la vous avez activement euh, participé à ce panel gis nañ la sax à l'accueil du président de la République d'après ñom li ñu wax. est-ce que <laughs> moi je pense qu'il y a une incompréhension il faut qu'on s'accorde sur une chose les cadres de mon parti qui est la CCR convergence des cadres républicains nous avons organisé. avons mhm. invité les structures du parti. les autres entités. les autres entités les autres démembrements du parti. Mhm. un peu pour un peu pour élargir au niveau de la coalition Benno mhm. Mais mais cadre réunis, il faut que ça soit clair. séminaire avec le président Idriss Seck avons un séminaire mais invité les cadres de paire, mhm. encore moins les autres partis il y a une incompréhension président de la république dafa ñëw King une place pour répondre à l'invitation des cadres de son parti mais mais suite, sauf que là vous êtes sous les projecteurs parce qu'il y avait le président de la république par ricochet qui était là-bas. mais raison pour laquelle d'ailleurs il a parlé des projets qu'il a mis en œuvre. Mhm. il faut aussi que nous fassions que sénégalais Nous fal ñoo ko jox rewmi la majorité des sénégalais ñoo ko wóolu jox ko mi. absolument mom mo wara doxal mais pas ñu nekk ci opposition bi ño xamné amuñu 15 euh, ñu nekk fi di wax. di de gauche à droite ils sont pas représentatifs. Mm-hmm. président de la république le sénégalais wolu wax ju bëri au niveau de Dakar fajul dara le Sénégal c'est le Sénégal en profondeur. Mm-hmm. juróomi nit wala juroom ben nit nekk Dakar di wax. En entendant parler mon ami Nour c'est comme si le président n'a rien fait dans ce, dans, dans ce pays depuis qu'il est là. il n'est pas aussi nihiliste que ça aussi. Hein? le <laughs> président est en 2014. Nous proposer aux Sénégalais le plan Sénégal émergent. Bim len ko proposé le plan Sénégal émergent, nous diviser en PAP. Plan d'action prioritaire. <laughs> Premier PAP bi en 2014 le, 2000 18. 2019. Dis-moi. 5 ans chaque pape 5 ans là. Mhm. Le premier pape bi def lim ci def. Mhm. en 2019 mu lajat Sénégalais sen suffrage ñu falat ko. Mhm. biñ ko les 300 les 535. moy les cinq grandes initiatives les trois programmes sectoriels à l'échelle nationale. et les cinq accès universels. sénégalais yi ko. Johat ko réew mi ko ci cadre panel de haut niveau pour expliquer les invités <laughs> lan le président de la république leeral li <laughs> président de la république euh, proposé au Sénégalais pour que ñun surtout ñun ñi sommes ay ndaw <laughs> ci biir salle pour que ñu mëna a dem wasaare ko ci biir réew mi pour que sénégalais yi mën mais encore une fois le président de la république tout le monde sait qu'il a beaucoup d'ambition pour ce pays en prenant seulement le PUDC, nous savons qu'il a beaucoup fait à l'intérieur du pays. Quelqu'un qui te dit que Sénégal du Dakar Kessé, Sénégal du Mbour Kessé, Sénégal, ce sont les axes frontaliers. Nous devons créer Puma, mhm. programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers. Lolo, vision, ce ku euh, vision ku sénégalais yi rek parce que y a des villages frontières. ci frontières ils gis xamuñu luy gouvernement xamuñu sax le ministre député waxi président fa euh, comment dirais pouvoir Ils fa si nañ dara ne Ils sax dem ji Gambie wala Guinée Bissau wala Mauritanie wala Ils mo len gëna yomb que euh, au niveau du Sénégal mhm. en quelque sorte inclusion sociale la parce que depuis que nous ko nommé, il ne parle que d'équité territoriale et inclusion sociale équité territoriale est un indi acte 3 de la décentralisation mm-hmm. pour dire que toutes les communes mm-hmm. ou en tout cas euh, communes yep, de yep, war nañ leen euh, mm-hmm. pour que parce que nous avons une dignité Nous avons aussi une nañ véritablement à l'extérieur am ak dëkk partenariat pour le développement des territoires. te jàpp naa territoires yep territoires développé Euh, en définitive c'est le Sénégal qui qui qui va se développer. Mm-hmm. Mhm. donc effectivement alors le président de la république évoquant la question relative à l'endettement il y a presse euh, la question de l'endettement une question qui fâche euh, le président de la république que man j'y étais hein. mhm. oui nous sommes endettés parce que euh, les les sénégalais qui sont dans les contrées est-ce qu'ils doivent attendre 50 ans pour avoir accès à l'eau à l'électricité à la santé il a justifié l'endettement. Oui, nous nous sommes endettés, non pas pour euh, encadrer des fonctionnaires, non pas pour, euh, le fonctionnement, mais on s'est endetté pour, le, pour notre développement. C'est ça. C'est un justificatif Oui, entre autres. Euh, endettement, parce que beaucoup nous, peut-être nous pouvons confirmer en tant que financier, le, le, du trésor maanaam taxes yi ak impôts yi. mënul développer Sénégal à la limite est-ce que mën na fay même les salaires donc il faut à la coulé aller su ñu endetté wu. maintenant ban façon endettement la ñu def président Macky Sall loolu la wax un endettement productif maanaam buy jur njariñ c'est-à-dire nga jël xaalis dugal ko ci kérno boo xamante ne day développer réew mi day day transformer day structurer. Mm-hmm. endetté wu ñu pour tabax ay monuments de la Renaissance endetté wu ñu pour andi fi ay ay ay bateaux euh, teg ko fii port pour des festivités donc dañuy endetté pour écrire nos structurants parce que si vous avez par exemple sans que mbay mbay koy réformateur mais mm. attends ñun on on n'a pas trouvé de flotte aérienne dans ces pays il hein. <laughs> y a rien était à un taux d'exécution de 35 nous avons ko en temps record avec un modèle avec un mécanisme financier innovant tey macha allah suñu flotte aérienne te ñu ngi attaquer la sous-région mais qui est réformateur production agricole mais euh, ceeb et quelques lañ fi actuellement nous ngi ci 1200 deux am en en en riz loolu mooy réformateur nga jël tey énergie loolu moom quand même luy bi megawatt il ñëw mégawatt et quelques de 500 actuellement nous sommes à presque 1200 1200 euh, non mais hein. je termine après mm-hmm, mm-hmm. pourquoi mm-hmm. actuellement on est à presque 1200 MW. sans pour compter le mix énergétique c'était l'année actuellement on est à 21% l'électrification rurale taux est ñu c'était 21%, actuellement on est à 40%. mais le réformateur la wala du réformateur même sur l'industrie, le capitaine d'industrie mais bi ñu fiy ICS c'était à terre mort. c'est moribond. Ils été relevé. avec des modèles financiers innovants donc gis nga booy un patriote ak ku bëgg réew mi non fi président Macky Sall maintenant nag peux nga ne na gën daw mais machallah allah euh, du ma ci programme sociaux yi mais euh, Moussa wax na ko mais quand même réew mi dañ ko fekk fu difficile nee naa la même bi ñu doog a ñëw avril juin juin boobu noonu intrants yi ñuy le budget pour les intrants là mooy mooy yi ñuy war a jox béykat yooyu fekkuñ ko fi lépp dañ ko consommer ci élection yi Macky Sall je me rappelle mesure boobu la njëkk jël ut li li jënte 32 milliards dugal ko foofu ñu ne nii yàlla li muy def nawet bi ñëw inondation yi mais actuellement nañ dugg ci nañ dugg ci ci canalisation yi nañ nañ ci aménagement bi mhm. mais il y a des efforts colossaux qui ont été faits ci dëkk bi pour wàññi inondation te macha allah am avec le plan décennal dugal ci plus de dix mille je veux dire que tey wàllu transport transport par exemple mais transport de masse bu ñuy wax transport de masse le label laa nañ ko bàyyi Macky Sall dans ce pays là moo ko innové dugal ko ci réew mi ba nga xamante parce que loolu c'est l'idéal loolu c'est loolu mooy futur dëkk boo gis muy développé sans transport de masse dëkk que du dem parce que contrée bu ndaw la ñu beaucoup de destination c'est vrai que Wade bi propulsé na avec l'étalement urbain vers Diamniadio mais Macky Sall moo ko accentue Diamniadio c'est Macky de plus en plus on va vers ça donc ce qui veut dire que le le le le le cycle périurbain Dakar banlieue Dakar nous ñu petit à petit. Mhm. avec un étalement urbain nit ñi di services sociaux de base vers les autres contrées. donc politique loolu loolu du vision la modèles financiers on va vers un autre grand port le port de Ndayane vous mhm. xamante des day des tirants d'eau de moins de 18 mètres donc nous avons construit le modèle de financement avec DIPOT, avec d'autres partenaires mhm. donc di wax que le secteur boo jël amul secteur bu qu'on A mu A mhm. non yëpp poussé nañ ko. absolument alors Abdoul est-ce que d'accord avec ci justificatif sur l'endettement que nga avons Sénégal yi ñu bon je vais nga baal ma nga Abdou endettement bi. Ah, non non en 30 secondes. le taux d'endettement au niveau de l'UEMOA ñu ci 70 acceptable. Mm-hmm. ñun Allez-y, c'est le chiffre, non, non, non, non c'est. La... Nous, nous, confirmer ça C'est un chiffre. on est à santé on, est, on, à on est un taux d'endettement de santé pour ça. On le C'est une chose. C'est que Eric C'est très important. cest que ce régime-là doit revoir ses investissements. Ses investissements ne sont pas productifs. Et boo de boo boo moytul ñun sax ba suñuy sëkk dinañ fay bor yooyu noonu. Hmm. ay Ila Touba ay ay ay. ay terre terre uh-huh. ah 1200 ah, milliards. ay BRT uh-huh. ah uh-huh. yoo bi 300 milliards terre bi euh, bi. loolu euh, ñu redynamiser chemin de fer. te mm-hmm, mm-hmm. terre parle de modernité. c' est à dire que fii xam nga aussi. Euh, pôle économique yi mu bëgg tabax pôle économique yi mu bëgg tabax je pense que même le choix de Diamniadio mhm. c'est à revoir baaxul mhm. ndax gis nga bo jëlé ben région bu melni Kaolack. Mhm. le pôle Sine Saloum. voilà gis nga Kaolack. comme Mayo maîtrise beaucoup ah. bu ko buñu ko buñ fa defoon pôle économique bi comme liñu installer installé Diamniadio bu ko defoon Kaolack. Mhm. ce serait mieux. Mhm. té dina régler question yu bari y le pôle territoire Sine Saloum bu existé. ba ci ah, ak le pôle Casamance ñu ci. xol ba ci ba ci exode rural bi daf koy régler. gis nga bo ñëw ci manam programme Macky Sall gis nga bërët tu applaudis. c'est tellement bien fait bien écrit. mais <laughs> finalité qui c'est-à-dire que semi bénéfice mhm. semi ça a créé beaucoup de problèmes. Eric mhm. wax c'est-à-dire que semi vie nous mettre en place septembre 2013 septembre 2013. la semi la semi 86 des de Sénégalais nous ont inscrire 86 des Sénégalais nous ont investir Nous inscrire. Mhm. 32 des Sénégalais qui bénéficient. bénéficié jusqu'à la fin la fin du premier mandat C'est ce ci Sénégalais là. c'est-à-dire que en fait euh, dans tous les programmes. dans mhm. tous les programmes le terre est à terre. berté je pense que c'est mais promettre nañu il sera sur les rails bien avant la fin d'année l'année. Hein. mais promesse yooyu. Mhm. chaque jour promesse di nga mhm. promesse 500 millions d'emplois euh, par an durant 5 ans 500 000 emplois par an durant 5 ans. Mhm. ou à est-ce que tu ci tous les jeunes sont là. le chômage est galopant de, de, jour en jour. Mhm. C'est-à-dire que la première sécurité, la, première insécurité, insécurité, insécurité, mais la première insécurité, elle est d'abord économique. C'est-à-dire que l'économie, mhm. je suis désolé, je suis désolé, euh, fay salaire fay salaire non. Mhm. demal gana Ghana du def appel à l'extérieur c'est-à-dire que xam nga lan la il faut que il faut qu'il y ait une rigueur dans la gestion de nos finances publiques. Mhm. ñu restreindre le train de vie de l'État c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin ay HCCT loolu lu muy lu muy jëriñ askan bi. Mhm. am ay postes inutiles yoo xam ni ci village da ngay gis ay grande famille yoo xam 3000 francs mooy seen dépense quotidienne ñu koy bëgg fay benn directeur boo xam ne ban njëriñ la amal askan bi. Mm-hmm. nañu ko wante dëgg. Mm-hmm. lu dul taal otoom benn bu bu bu deful dara këram lay taal otoom ba birom tok nii euh, nek ci whatsapp facebook dem ñibbi ci waat <laughs> mais c'est-à-dire que dañu def ay ay ay postes yoo xam day am mm-hmm. euh, impact direct avec la population. donc ce régime là problème yoy réforme yoy la waron la waron égrener. gis nga Macky Sall comme j'ai eu à le dire hein, gis nga réforme yoy bu ko won deuxième mandat il faut koy facilement mais deuxième mandat on pose en fait il y a une interrogation. ah bon voilà donc il y a il y a une. même si nous, ñu euh, plus de 58 pour cent. Sénégalais Sénégalais Macky Sall la ñu donc hmm. ñun ñun dañ dañ naan ñii wax hmm, hmm. rapidement sur la question de l'endettement, vous avons nga ko euh, non non l'endettement, un mauvais choix. vraiment war nañ euh, euh, euh, les investissements. bu ñuy endetté wu un investissement investissements c'est productif. mais on ne peut pas quand même imaginer de jeter l'argent à la fenêtre yoo xam ni suñuy doom wala suñuy sët ñoo koy fay bu ñuy endetté dañu endetté loo xam ne day jur ñu dem delloo ci bor mm-hmm. waaw mais endetté loo xam ne du productif c'est-à-dire ce régime là a a le problème de choix Wade il était vraiment regardant par rapport à ça mm-hmm. c'était un bâtisseur mm-hmm. euh, AIBD bi ñu wax nii moo ko def tali yi moo def c'est-à-dire que Macky Sall leneen la waroon kii c'est-à-dire bu mu rupture bi mu wax loolu moom moo doon vraiment gestion rupture def des réformes c'était un président de réforme mais malheureusement vraiment il n'a pas pu aller jusqu'au bout de ces réformes là il y a que des vraiment des slogans chaque jour on entend un slogan mm-hmm. euh, de, la, euh, euh, à côté de, la paire et, de ses alliés mm-hmm. mais les Sénégalais vraiment souffrent mm-hmm. demal ci ci bi inondation bi récemment dama commune Nimza j'ai été surpris de voir les inondations parce que mon heure mu see inondation damay De ma tiit. parce que pour moi, le régime est réglé parce que ça a fait tellement de de de problèmes dans ma commune à Wakina-Nimzad. Mhm. ñu déloger ay nit yóbbu leen jaxaay. Mhm pour le régime au moins il faut régler mais bon, je gisaatee kii bi man dama am lu metti mais qu'est-ce que mhm. est-ce qu'on nous a pas ramené au Moyen Âge. tout à fait ah, alors Eric Eric sur la question de l'endettement Macky Sall justificatif yi d'abord. est-ce que ça vaut le coup le fait de s'endetter ak ci choix yi nga xam ne par rapport à ni ko euh, Maïssa waxee euh, trouver nga ne non yooyu non non non en fait déjà il faut situer d'abord les niveaux d'endettement ak ñaari façon yu dafa la dette intérieure ak la dette extérieure gis nga commencé déjà au Sénégal vous savez euh, aujourd'hui au niveau du Sénégal l'État doit plus de 1000 milliards aux entreprises locales qui sont dans le PTP qui ont eu à facturer qui restent sans pourtant ñu jox ils disent que l'État est mauvais payeur. defal hein. mise à jour. ah mise à jour. non non non vous avez un chiffre. C'est pas ça. Vous me lorsqu'on venait, les gens parlaient de 1500. Aujourd'hui, on en est à moins de 1000. non, non, non. On est à 1000. des recherches. non, non, justement. justement. tu Mise à jour. tu pas à la phase hein, comme vous. Vous aurez la parole. mais qui Je que j'ai mm, Allez-y. Donc, moi, je, qu'on est déjà à 1000 milliards. À, en, termes de dette intérêt Hamou, mhm. vous savez j'ai fait la phase, heureusement tu sais que l'initiative privée fonde la richesse d'un pays et que cette initiative privée là est portée par les entreprises surtout peut-être primaires ou bien par les PME mais nous avons leen defloo liggéey ñu par exemple des matériels. Nous leen ngi la commande publique nous ñu investi, mais aujourd'hui l'État peine à honorer ses engagements vis-à-vis même des, des, des entreprises locales. Mhm. Déjà, c'est un premier, premier niveau. Et vous gagnerez bien, véritablement, au lieu d'orienter certaines ressources. Parce que tout à l'heure, tu avais parlé de PAP. Moi, je parle plutôt de matrice d'action prioritaire. La réorientation des. Non, des... Idriss mhm. Non, Idriss <laughs> MAP. Non. non, non, non. Allez-y, allez-y. C'est un programme. Hein. Non, ah, non quand, je parle de matrice d'action prioritaire, mhm. c'est aujourd'hui, am allouer les ressources à au moins éponger une partie de cette dette intérieure là aujourd'hui ce qui me ce me fait mal le service de la dette extérieure est à 750 milliards vous préférez payer d'abord les étrangers Nous suñu suñu suñu mais du gisal et pire encore quand on parle de d'endettement de la structuration euh, de de l'endettement vous avez fait appel à l'Orobon. Vous avez fait appel au, au, groupe consultatif de Paris. Vous avez, vous avez fait appel à, à plusieurs sources de financement. Mais aujourd'hui, gis nga Sénélec lu tax muy yokk prix bi naa la ko wax. Mhm. dafa dafa jëloon ay concours war ko fay actuellement les chiffres d'affaires attendus. non attends non c'est des investissements dafa dafa am des investissements pour pouvoir produire le maximum d'électricité pour toucher presque il y avait un candidat à xoon durant les élections mais bés bi Macky Bous, beaucoup de prix vont. bon. non Idrissa non ah. non non je je t'aime aujourd'hui den endetté wu heure fay jot malheureusement une leen capacité fay malheureusement le consommateur final bi a di pomper ces maigres ressources. pour hmm. pouvoir combler le déficit pour fay. oui c'est ça c'est ça la réalité mon cher Moussa Sow. Hmm. c'est ça. Hmm bon terminer terminer terminer. Mhm. aujourd'hui mhm. bon c'est vrai que les gens reprochent parfois aux banques qu'ils ne financent pas l'économie locale mais parce tout simplement est-ce que as la garantie de l'État vaut quelque chose. est c'est fiable parce que tout simplement. le délai en général de remboursement. Mhm. vous facturez ñu 30 jours 40 jours maintenant ça fait un an. dañu dem ba report à nouveau ci exercice et encore une fois, je reviens sur, sur, sur, la, euh, sur les activités à financer. Il y a des crédits à l'étranger pour, pour, financer les, les activités. Mais quand ce n'est pas productif, tant que ce n'est pas rentable, tant que ce n'est pas accessible dans le secteur primaire, très sincèrement, ce taux de croissance-là dont vous faites part de 7% sera toujours extraverti. Ce taux de, euh, de, de, de croissance-là, vous porter une richesse cette richesse là nous ñun mais les entreprises européennes faveur qui sont dans le service malheureusement et que aujourd'hui ne sont pas portés par les champions nationaux mhm. ou bien par les par les lambda mhm. voilà d'où maintenant mhm. d'où maintenant votre pays c'est là dont vous faites part tout à l'heure ah. <laughs> non en fait je affaire. laissez le terminer. PSE bi. Mhm. dañ ko dem uti xam-xam bi. Mhm. fait du fi ngeen ko toggee. c'est importé c'est importé. Ah. moo tax ci yenn point yu bari. justement allez Moussa. non c'est-à-dire man euh, Ndour il est bien il est dense mais malheureusement politique bi moo ko nar politique bi moo la nar mon cher ami je vous assure non il n'est pas mal mais politique bi moo ko nar mhm. parce que tey jii jàpp nañ ne dans un pays dans le monde pays bo di jël réew bo di jël pour pouvoir financer l'économie réew mo mënti di jël nak yalla dafa def suñu ci euh, espace 56% de notre PIB fa lañ toll ci suñu endettement te kat yoon mën nañu may ñu dem ba te fa. egg mhm. 65 66 67 xaajiguñ fa egg vous allez aux États-Unis ils sont à 106 de leur PIB fait partie des États les plus endettés Le développement bi faire y a des inégalités mhm. partout au Japon c'est encore pire Le Japon c'est un pays développé mhm. quoi que l'on puisse dire donc endettement du dara yaa mës a gis réew bu ñu tëj ndax endettement Kay kasso parce que da nga endetté au contraire réew yu bëri dañoo endetté pour se développer et c'est important bi ñëwé en 2000 en 2012 pratiquement le pays était à terre mënuñu fay euh, le le le le président Blade num fi waxone bi muy dem le président Macky aura du mal à payer les salaires pour mon président Macky Sall dafa venu... rek président boo xam ne du def ay initiative mhm. mais heureusement bàyyu fi Le président moo jóg dem Dohi. Li wara a tax kérok ñu fay euh, les les les les fonctionnaires de notre pays. Mhm. sinon le pays allait sombrer donc yooyu de baaxul c'est-à-dire il faut que des arguments yo xamantene c'est solide euh amna lutax Ndour demul ci globalité endettement bi dafa yam ci endettement intérieur mhm. endettement intérieur bi ñu ñëwé les bons à payer la bons impayés di mooy mooy les agriculteurs là nangam na les entreprises ainsi de suite c'était devenu même une chanson hein. mais c'était devenu c'est-à-dire état fayatul woon sax mhm. entreprise yi te mhm. ñemewu ñoo wax tey c'est une démocratie qu'on voit et keroog rek les écoles privées la ñoo ngi doon génn amul problème nañ génn wax ainsi de suite l'État commence à payer il a pratiquement il a payé jusqu'à commencer à éponger toute la dette. combien de mois. ils ont attendu. mais l'État état la. c'est global nekkul ne dama la yoral cent francs rek damay ñëw tout de suite fay la ko état dafa am ay principe dafa am lu muy doxe c'est un processus pour processus la. Mhm. te encore ñooñu noonu ay sénégalais lañ am nañ doom yu jàng am nañ doom yu nekk ci privé bi donc dañuy jàppalanteeg état pour suñu réew développé réew mi bu développé du pour Macky du du pour le président Macky Sall ni pour moi-même ni pour quelqu'un qui est de paix. c'est pour tout le monde donc c'est des voies et moyens la ñuy emprunter pour que suñu réew au moins ñu fekkee l'émergence développement absolument donc beneen beneen mbir bi ma ci bëggoon a moi en ce qui concerne l'économie c'est quelque chose nga xamantene du n'importe qui mo ci wax parce que c'est sensible affaire c'est des techniques mhm. président de la république concernant le pétrole kérok non seulement dafa woote dialogue concertation wo ñep ñep ñew waxtaan ak pour que demain retombées yi ñi am nan lañ koy répartir et consort mhm. té ay kilifa ñoo dem wuyu ay kilifa porte parole des familles religieuses euh, ah, kilifa diine yeeg aada yi ñëpp ce qui n'a jamais été fait même dans la sous-région mu ñëw des contenus locaux voilà là là c'est intéressant parce que entreprise sénégalaise yi foofu la ñuy ñëwee contenu local mooy ne que tey jii mënuñu fi def benn projet boo xamante ne programme en ce qui touche le pétrole et le gaz fekk entreprise sénégalaise yi dugguñu ci te yeneen entreprise yeneen multinationales yi bu multinationale, au Sénégal dañuy fournir ce qu'on appelle des due diligence due diligence mooy des préalables balaa ngay exploiter quoi que ce soit préalable def da cee bokk ay enquêtes préliminaires après c'est l'État du Sénégal ce sont les Sénégalais qui saytu mbir mi ba xam ne entreprise yi nii bu ñu exploiter fii nii ñun gagné te dañ dans dugal contenu local bi les entreprises justement sénégalaises donc nous sommes partis pour véritablement li nga euh, la croissance extravertie là ça n'a pas sa place ici parce que depuis lors le président de la République est en train de faire des efforts croissance boobu moo tax ji le taux de de de de la pauvreté on en est à combien 34 pour cent ñoo à 40 48 xaw 46 pour 46 pour tey ci suba rek maa ngi ci doon def benn benn post ci Facebook. ce sont les données de la banque mondiale du Moussa Sow moo ko génne du Maysa Mayakoor moo ko génne du rëccu Macky moo ko génne. bëgg Macky sax parce que léegi nga bëgg Macky. tout à fait boo ñuy déglu léegi nga bëgg Macky. absolument absolument alors. 34 pour cent taux de pauvreté. c' est mhm. extrêmement important. Mhm. te loolu lu ko mayee mooy. Euh, les réformes du président de la république Soum. ku président du réformateur yaa ngi wax lu la Le mhm. président bi fi ñëwee léegi ñaata raaya la am parce que moi, ngi réformer son pays absolument c'est important au vie et au su de tout le monde absolument alors euh, c'est c'est vrai que y a un sujet que nous avons évoqué, mais bon le temps qui nous a été imparti est arrivé à son terme. On, mine on a fait un débat d'une heure. Hein, on n'a pas, parlé du répondre. Oui, oui, on, pouvait parler de beaucoup de choses, mais actuellement, je suis dans l'obligation d'arrêter cette émission. Mais peut-être aussi, on aura, on aura, on aura l'occasion. Si, si, voilà, sinon, vous faites euh, avec, euh, avec euh, vraiment la bénédiction de, de, de, de, vous avez 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, pour ñu évoquer. waaw cinq minutes pour ñu pour ñu mais bon cette fois-ci. Euh, ce sera un, un libre antenne hein. ku nekk euh, parmi les quatre ku nekk bu fekkee am nga benn dernier sujet mm-hmm. boo xam nga évoquer en une minute alors on commence par Reccu Fal Macky le temps que vous rejoignez le navire. man gëw ma ne sax kii bokk na ci Fal Macky. <laughs> yow bokkoo ci de yow côté nga est-ce que. Eh, en 2012 ko temps ñu bàyyi ko une minute juste non non mais. dama c'est une minute balaa moo jeex. voilà man man man fan laay kiiwee fan laay terminer c'est-à-dire que. Euh, c'est-à-dire que euh, les plus grands projets de ce régime-là sont portés par des étrangers c'est-à-dire que les plus grands salaires sont versés aux étrangers croissance bi croissance na 20 mais profiter parce que c'est une croissance extravertie j'ai l'habitude de le dire c'est une croissance euh, croissance xam nga mburu beeg ruusit bi ñu ruusit mais mburu bi duñ ko c'est-à-dire que aussi xam nga euh, Macky Sall il est investi il est élu par les Sénégalais bu hum. ñëwee am ay projet comme ni ko Wade daan defee ak ay baarataal et cetera jox les plus grands projets aux Sénégalais ñun ñu mën ci sentir suñu bopp aussi c'est-à-dire que bu bëggee vraiment sécuriser hein ou bien euh, ñëw daal équilibrer la justice sociale il faut que mu assainir vraiment la finance publique c'est très important institution yi nga xam ne Il faut mu dindi ko fu mu toll enjeu politique hein, ah HCCT la fi wutati comme am deuxième mandat peut-être sax mën nañu wax ne bon dafa deuxième mandat moi tax mu doon à l'OAPS, PS ou bien ses alliés mais moom moment bi amatul enjeu électoral boo xam ni war na mën a di di di sauvegarder ces postes inutiles là. Mmh. vraiment ñu luñ koy ñaan vraiment. Mmh. muy vraiment euh, euh, sénégalais yi sonn nañ lott nañ. tout à fait vraiment. may may accord yow si report élection nga doon wax mooy élection locale hein avec ah? euh, prorogation peut-être mandat. comme président conseil départemental. ci wax mais en 30 secondes. une minute nga notre économie n'est pas tuée par le président Macky Sall ni par son régime ma leen di rappeler il y' a beaucoup de chantiers yu mag yoo xamante ne état du Sénégal ay ay privé national la jox. tey boo demee si fête jëm ñaajo ba fa gën a gën fa moderne gën fa innovant mais sunu sunu sunu ay Sénégalais ñoo ko defar te le réseau électrique. tout le réseau électrique soutenu de Diamniadio est réalisé par des Sénégalais. Les gares du terre là, il y a trois yoo xamante ne sénégalais yi ñoom ma non ma ñëw noo ma ñëw defal non, rek ak yeneen non, yeneen non, dafa am lu ñuy lu ñuy lu ñuy kii dans la sous-région muy dans le domaine de la cimenterie wala dans le domaine des BTP mais les sénégalais jouent un rôle important et champion lañ fofu mhm. mais ñooñu dañoo fermer sen sen sen ki sen sen, sen territoire. non il faut quand même. voilà donc il faut quand même ñu ñu ñu ñu ñu ñu bañ déstructurer quoi. Mhm. maintenant par rapport au local. parce que mhm. c'est important xam nga euh, démb ak barki démb biñ ko voté assemblée ba légui dañuy dégg scandale lu ñu koy dégg. mais may rappeler né dañoo joggé élection présidentielle. d'abord avant élection ñom politique chaise vide par essence pour moi c'est nature. mais biñ joggé élection président nañ autre dialogue national dialogue les points les les points yi nga ku ci mi am point il faut que ñu le parrainage et le processus de mise en œuvre faut que ñu xoolaat le mode d'élection. et le fichier électoral foog ñu xoolaat le fichier électoral. Faut ñu nous la la caution. Mhm. Légui, ñu war dem élection locale man ma am sama coalition bëgg veux nekk candidat Fatick Niakhar Diourbel. Mhm. damay def caution dans cette zone où je dois faire un cautionnement national dialogue bi ñu ngi ciy waxtaan pare guñu. Mhm, ñu war a dem élection parrainage bi. bëri na ay frustration ak ñu Dakour. d'accord ban modalité lañ koy defaatee. pare guñ ci ñu ne ñu xaar maintenant mode d'élection bi ci biir parrainage bi ci biir parrainage bi nañu ne élection yi détourner la volonté des populations. Mhm. on privilégie l'élection directe du maire. mais quand sera-t-il des agents au maire et des vice-présidents du conseil. C'est le mode d'élection ñu donc le mhm. bi ne se justifie que par.

au plus tard mois de mars 2021 non ma non ma ma au plus mais le nga un pays ma mais c'est ouvert sauf que le un dialogue accord avec les acteurs mais effectivement un dialogue effectivement ce qu'il avait dit un dialogue est ouvert salut non 5 5 secondes moo la Il y' a 5 secondes 10 secondes mën naa la donc euh, euh, donc je je termine. Euh, un état privatif dialogue bu def c'est pour harmoniser c'est pour une stabilité mais les pouvoirs régaliens d'organiser des élections revues au ministre de l'intérieur et du président donc si nous aussi mhm. des choix vont être opérés du def parce que aussi la démocratie moo qui est mooy mhm. mais un bon démocrate mon à stabiliser. Mhm. parce que vous bëggee dem vers l'émergence ou au moins d'un stabiliser. le champ politique. Mhm. voilà le temps de régler certaines choses. alors Eric y a ce sujet là non juste pour répondre à mon ami Moussa. vous mhm. euh, wax un endettement d'une ci mais y a le risque de récession. c'est le débat de financier hein. il, y a le risque de récession. <laughs> Uh-huh. Euh, la crise des subprimes. on est loin de là la crise des subprimes. États-Unis heureusement après dañu mujjee renflouer cette caisse pour mën pour mën atténuer un peu pour mën cee guen mhm. mais amna risque quand même endettement amna risque. aujourd'hui je rejoins mon mon mon mon mon ami c'est le taux de croissance là. couronne mhm. gëna impact la c'est les emplois manam le taux de chômage warul won di 10 di dem 15 mais dafa faut di di gën a parce que tout simplement encore une fois ñu muy profiter du Sénégalais nous ñu muy profiter c'est c'est plus les étrangers que les que les encore une fois il va falloir qu'on repense un peu notre structure économique parce que nous, nous nous appauvrir mm-hmm. enrichir les pays étrangers il faut une correction par rapport à ça et puis et puis nous projet nous gën ko sur secteur primaire parce que amna na ay jéego. comme le riz la l'agriculture, par exemple ça ça fait partie du du secteur primaire. L'agriculture. agriculture mais lan la ci président Maguette. non je Maguette euh, wax na ko par rapport à la vallée mais amaguñu autosuffisance. on n'a pas encore l'autosuffisance. alors que on il faut louer les efforts. mais la mais ce que j'ai dit non mais attendez. sant yalla non non. ñong ci yoon bi kon. mais on n'a pas l'autosuffisance. ñong ci yoon bi. gis nga gis nga gis gisoo Nous nous ñu lan lañ jàpp émergence. ñaari mbir la. c'est sortir la tête de l'eau et sortir de l'eau <laughs> sortir la tête de l'eau puis sortir de l'eau. deux choses différentes. mais tu dañoo nekk foo xamante ni. Mhm. mais autosuffisance alimentaire boo tu sors la tête de l'eau mais tu guñ ci loolu. Mhm, mhm. donc d'où maintenant l'aspect d'industrialisation, le président Macky Sall war na ko bàyyi xel secteur primaire. absolument so autosuffisance autosuffisance alimentaire du si du si non c'est global. ci déjà aujourd'hui bon, xoolee on a trouvé, Maïs a dit tout à l'heure, on a trouvé le Sénégal à 400 000 tonnes de riz. Fan lañ ko 1 million Donc c'est des pas de géant en avant. Liñi pour nous, autosuffisance en riz hein? L'oignon produit horticole euh, la patate douce, pratiquement on a atteint l'autosuffisance en ça. Parce que bo demee feulé déjà gaay yi bay nañ li nga xamantene sénégalais yi mën nañ ci dund. Mhm. lu ci bëri day yaax parce que sénégalais yi doyal nañ fess na del comprendre. Mhm. après dañuy préparer nan lañ koy exporter pour mën valoriser justement le pays. concernant concernant maintenant élection locale man japp naa ne gis nga dialogue bi moo tax lii yëpp euh, xaw a tardé te opposition moo ko tardé. Mhm. le pouvoir est prêt depuis fort longtemps. Si l'élection, demaatee élection dañuy ndulliwaat rek comme d'habitude. opposition a une question de ñu c'est-à-dire que l'opposition, nous, ñu avant tout. reporté mhm. reporter élection yi ñu fixé woon le er décembre 2019. Mhm. pouvoir ne amuñu problème. deuxièmement il faut nous def audit du fichier électoral. Nous mhm. ne un problème. Nous, ne encore mieux il faut que nous def audit du processus électoral processus électoral depuis 2016 à 2019. depuis la communication du ministère de euh, l'intérieur communiqué euh, sur les affaires il faut que nous revoir ko. Mhm. ça prend du temps te jàpp euh, ministère de l'intérieur le report élection locale yi au plus tard le 28 mars 2021. Mhm. au plus tard. ce qui mhm. veut dire que peu suba temps, nañ ko def. wala de suba. si si on parle bien le dépasser. au plus tard donc même 2020 donc il ne faut pas que parce que ban des ah, républicain alors que l'opposition on est ko reporter mais mais mais lan moi, gan ñoo mais kon lan lan mooy utilité dialogue. Mhm. kon lan mooy utilité dialogue. Mhm. yéen ngeen dem foofu ne nañu reporté ñu ne nangu nañ. Mhm. ngeen ñëwaat ne calendrier républicain ça n'a pas de sens. ça n'a pas de sens. alors vous avez 10 de sens émission bi jeex na de sens. keroog bi ñuy def euh, lettre bi. keroog bi ñuy naan euh, reporté nañ affaire yi. ça arrange tout le monde hein. ça, arrange tout le monde hein. en réalité c'est le dialogue qui est comme ça. absolument alors merci monsieur merci à Maïssa responsable politique à à Fatik, président plateforme euh, d'accompagnement des jeunes au Sénégal Grim le centre le ci invitation bi répondre Grim également Abdoumbaye président euh, mouvement Rëccu Maki sans doute hein? on ne sait pas euh, ce qui va se passer n'est-ce pas merci également à mon ami Eric Bernard Ndour, secrétaire national adjoint à la jeunesse de Réumi, banquier de formation, le le de la bu invitation bi répondre invité remercier également Moussa Sow pour disponibilité bi souplesse bi vraiment ci li nga à l'invitation. répondre ci invitation bi may rappeler également coordonnateur national pour la convergence des jeunesses républicaines euh, fan ngay militaire. Linguère ah. alors gërëm leen sant leen ñoom ñëpp également techniciens yi nga xamante ni yëpp ñoom ñoo ma aidé ma préparé présenté leen également numéro émission en ligne bi nga xamante ni mu ngi leen di jox dig mercredi prochain avec d'autres invités et d'autres sujets qui seront débattus d'ici là comme nous ma koy waxee l'information continue sur la référence Dakaractu merci